le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Les programmes de Studio Kalangou se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires disséminées un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum d'abord avec le procureur de la République sur la responsabilité de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. Ensuite, le feuilleton du licenciement des cette médecins de la fonction publique et nous allons parler euh, du sport euh, euh, avec le tournoi de Maracana qui a eu lieu samedi passé et le décryptage de l'actualité sportive avec le chroniqueur sportif nigérien Sekouberi Ibrahim. Euh, que peuvent faire euh, les usagers du service euh, public face au dysfonctionnement de l'administration publique Le Haut Commissariat à la réforme administrative a organisé mardi une conférence au profit des inspecteurs d'État et des directeurs des ressources humaines de la fonction publique. Objet, euh, responsabilité de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. À cette occasion, le procureur de la République, Samna Daouda, a présenté aux participants quelques cas de plainte des usagers. Il est au micro de Lauratou Ibrahim Gado. Nous avons animé une conférence sur un thème précis, les responsabilités de l'agent public de l'exercice de ses fonctions, enjeux, défis et risques. Mais en réalité, moi, j'étais là juste pour euh, présenter quelques cas de plaintes des usagers face au dysfonctionnement euh, de nos administrations publiques. Et je dois dire que cette conférence a été euh, organisée par le Haut Commissariat à la réforme administrative. Et je pense que c'est pour justement sensibiliser les agents de l'État en général euh, dans l'exercice de leurs fonctions ou bien l'accomplissement de leur mission. Dans quel cadre Dans le cadre de ses activités euh, habituelles, le Haut Commissariat œuvre toujours pour euh, l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la capacité des agents de l'État. Donc je pense que c'est dans ce cadre que le Haut Commissariat a organisé cette conférence pour que les agents puissent être mieux outillés à pouvoir accomplir efficacement leur mission. Quelle était votre contribution hier Ma contribution, elle s'est limitée en principe à donner un certain nombre de cas euh, de des plaintes que nous arrestons au niveau du bureau du procureur. Plaintes comment Les plaintes des particuliers relatives en fait au dysfonctionnement du service public en général. Donc euh, c'est là que j'ai un peu expliqué, si vous voulez, un peu catégoriser les différentes plaintes qui nous parviennent parce que je ne pouvais pas les citer une à une pour dire que non, j'ai reçu telle plainte, telle plainte. Donc j'ai essayé de les catégoriser et je suis parvenu en fait à trois séries de plaintes, trois catégories. La première catégorie qui constitue en fait les plaintes des particuliers à l'égard de l'administration et souvent c'est lié aux questions de libertés individuelles et qui sont de, loin les plus nombreuses justement. La deuxième catégorie c'est la catégorie des plaintes euh, en fait relative à des ruptures d'égalité euh, du citoyen devant le service public. J'ai fini par la troisième plainte qui constitue en fait la difficulté que les usagers ou les citoyens ont à en fait euh, recouvrer les droits que leur reconnaissent euh, la justice. Donc, qui finissent par nous saisir, c'est des difficultés d'expression, de dégâts, de recouvrement, des de Il faut nous détailler cela. La première catégorie, c'est relative aux plaintes particulières par rapport à la violation des libertés individuelles. Souvent, nous avons des cas des chauffeurs, des usagers de la route qui ont des difficultés avec les services chargés du contrôle. Nous avons des difficultés avec les usagers, parfois dans le cadre de la conduite des enquêtes, etc. etc. Donc, nous avons un certain nombre de ces plaintes-là qui sont portées à notre connaissance. Ce que j'ai dit, c'est que les plaintes qui sont les cas qui me paraissent mineurs, je renvoie au niveau du responsable de l'administration et je lui demande d'essayer de voir dans quelle mesure régler ça parce que de façon systématique, on ne peut pas tout mener devant le juge ou un tout conduire devant le juge. Le responsable peut lui-même, par une mesure euh, interne, essayer de trouver une solution par rapport à ça. La deuxième catégorie, c'est celle qui consiste à une rupture d'égalité des citoyens devant le service public. Et cette rupture d'égalité, elle survient lorsqu'il y a cette question de corruption ou ces cas de trafic d'influence. Ça, il faut le dire, à chaque fois que vous avez un contact avec l'administration ou que vous avez un processus à suivre au sein de l'administration des services publics. Donc dès lors que s'installe cette question de corruption ou dès lors qu'il y a des interventionnismes, il faut reconnaître qu'il y a dès lors rupture d'égalité entre les citoyens parce que lorsque vous devez rendre votre service ou bien accomplir votre mission en prenant de la hauteur et en restant à équidistance des parties, dès lors que ces deux tares ou ces deux aspects entrent en ligne de compte, donc il y a une rupture d'égalité des citoyens, que ce soit dans le service public, que ce soit dans les questions de marché. Nous recevons ces genres de plaintes à chaque fois et nous essayons autant que faire se peut de leur trouver un traitement juridique. Donc la troisième catégorie de plaintes, c'est la plainte relative à l'exécution des décisions. C'est-à-dire que des décisions ou des droits qui sont reconnus aux, justiciable justiciables et qui pas à, dont ils n'arrivent pas à jouir. Vous savez que le procureur est chargé de l'exécution des décisions de justice, mais il faut reconnaître que ce n'est pas dans tous les cas parce que on peut bien s'assurer de l'exécution des décisions relatives aux condamnations, condamnation à des peines de prison ou condamnation à une peine d'amende mais on n'est pas beaucoup partie prenante par rapport à l'exécution des décisions de justice qui accordent par exemple des dommages-intérêts aux particuliers, aux justiciables. C'est des dommages-intérêts, donc les justiciables vont saisir les services d'un huissier qui va essayer de procéder à des recouvrements ou à des saisies éventuellement pour pouvoir euh, mettre le justiciable dans ses droits. Donc nous avons ces genres de plaintes souvent qui nous parviennent parce que bon, il y a des difficultés pour que la force publique se déploie, il y a des difficultés pour que euh, telle personne puisse recouvrer ses biens, il y a des difficultés pour que euh, l'huissier arrive à certains endroits pour exécuter, etc. Donc la troisième catégorie de plaintes que nous recevons. Mais avant ça, j'avais expliqué un peu que nous avons un constat qui se dégage, c'est vraiment cette propension à saisir de façon systématique la justice. À chaque fois qu'une décision ou à chaque fois qu'un litige survient, donc euh, comparativement à ce qui s'est passé avant, où un ancien du quartier ou un sage se lève et dit que non, arrêtez, il faut laisser tomber ça, ou bien en tout cas il concilie les parties, cela n'est plus le cas de plus en plus. De plus en plus, on constate que des simples pécadilles ou des broutilles, comme on dit, vous conduisent devant le juge et ça participe à l'engorgement justement de nos juridictions. Et face à cela, qu'est-ce que vous avez préconisé Donc face à cela, ce qu'on préconise, c'est autant que force peut euh, au niveau du cabinet, on essaie de voir dans quelle mesure euh, vraiment concilier les parties, trouver une solution d'arrangement entre les deux parties pour que chacune reparte euh, avec la main de l'autre dans l'une donc, euh, et quand ça ne va pas, quand, quand on se sent obligé, là, on laisse comparaître la personne devant le juge. C'était là le procureur de la République, Cheibou Samna, relativement aux responsabilités de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. La suite euh, du feuilleton euh, du licenciement des 37 euh, médecins nouvellement recrutés à la fonction publique. Hier, l'inspecteur général des services et le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique ont co-animé un point de presse. L'inspecteur général des services du ministère de la Santé publique, Mai Mokhtar Hassan, explique pourquoi l'administration publique nigérienne a décidé de se séparer des 37 cette médecin, Il est au micro de nos confrères du groupe de presse Labari. Jusqu'en 2012, sur l'ensemble du territoire national, nous avions moins de 300 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Donc, avec la volonté politique de Monsieur le Président de la République, il a été recruté 536 médecins en 2012. Et ce recrutement de médecins rentrait dans le cadre de la dotation du milieu rural en personnel médical particulièrement. Donc fallait approcher les prestations de soins et services médicaux des populations rurales. Donc à cette date, après le recrutement des 536 médecins, ils ont tous été affectés dans les CSI, les centres de santé intégrés des communes rurales en priorité. Et je pense qu'il y avait eu 165 communes rurales dans un premier temps, puisque nous avions connu qu'on avait tenu compte un peu de la taille des populations à desservir et progressivement, les autres ont été couverts. Ainsi, en 2015, la deuxième vague de recrutement est intervenue. Et ça, c'était face aux besoins sans cesse croissants des formations sanitaires périphériques en personnel médical. Donc, le ministère de la Santé publique avait demandé et obtenu du Conseil des ministres de 14 février 2013 l'autorisation de procéder au recrutement à la fonction publique de l'État de 130 jeunes médecins inscrits sur la liste d'attente. Parce qu'après avoir recruté les 536, il n'y avait plus de médecins sur le marché du travail, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, entre-temps, il y avait d'autres qui avaient soutenu et donc qu'il fallait recruter et compléter. Maintenant, nous avons été instruits à l'époque par monsieur le ministre de la Santé publique sortant, nous, inspecteurs généraux des services, afin de diligenter une enquête administrative du recrutement sans concours de 130 médecins diplômés d'État, pharmaciens diplômés d'État, et chirurgien dentiste diplômé d'État à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique en 2015. Donc, à l'issue de cette enquête administrative, sur les 130, nous avons constaté que 30 n'avaient pas pris service, n'avaient pas regagné leur premier poste. Et ces 30 étaient mis en solde. Donc ils touchaient leur salaire depuis mai 2015. Et nous avons bouclé notre rapport en décembre 2015. Donc à l'époque, nous avons fait la situation. Un, parmi les 30 bénéficiaient aussi bien du salaire, de la bourse de l'Agence nigérienne pour la bourse et de la bourse du ministère de la Santé publique. 16 d'entre eux bénéficiaient du salaire et de la bourse du ministère de la Santé publique cette situation avait été faite. Et voilà la recommandation que nous avons faite à l'époque. Considérant l'article 21 de la loi 2000, numéro 2017-26 du 23 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, qui stipule que les agents de la fonction publique sont tenus de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à l'exercice de leur emploi, d'être présents à leur lieu de service pendant les heures légales de travail et donc d'accomplir par eux-mêmes les tâches qui leur sont Fin de citation. Donc, considérant les articles 266 et 269 du décret 2008 244 PRN MFPT du 31 juin 2008 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État qui dispose que le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants perte d'une nationalité ou des droits civiques, insuffisance professionnelle après constatation de la commission d'avancement de titularisation, suppression d'emploi à vertu d'une loi spéciale de dégagement de cadre, refus de rejoindre le premier poste d'affectation. Article 269. Le licenciement pour refus de rejoindre le premier poste d'affectation est prononcé après une mise en demeure. Nonobstant les actes réglementaires pris par les autorités compétentes pour recruter 130 médecins, donc les 30 d'entre eux n'ont pas effectivement regagné leur poste d'affectation. Au vu de tout ce qui précède, nous recommandons vivement aux intéressés de bien vouloir rejoindre les premiers poste d'affectation dans les meilleurs délais. Voilà pour ce qui nous concerne en tant qu'inspecteur général des services. Après instruction de Monsieur le ministre de la Santé publique, le travail que nous avons fait et nous avons déposé auprès de qui de droit c'était là l'inspecteur général des services du ministère de la Santé, Mai Mokhtar Hassan, qui explique pourquoi l'administration publique nigérienne a décidé de se séparer des 37 médecins nouvellement recrutés à la fonction publique. Autre aspect de ce forum, le ministre des Domaines et de l'Habitat a procédé le 13 juillet dernier au lancement des opérations de déterrement des bornes implantées illégalement dans les domaines publics au quartier Gabogoura de Niamey. On a pu constater en effet ces derniers temps que des bornes sont installées dans la plupart, dans la plus grande anarchie dans la ville de Niamey et ses alentours. Qu'en est-il dans ces conditions de la maîtrise de l'urbanisation, Abba charizarami urbaniste, répond aux questions de Lauratou Ibrahim Gadou. Une borne illégale, euh, c'est une borne qui est implantée euh, sans tenir compte euh, d'un lotissement qui a été validé par le service compétent. Donc il peut s'agir d'un morcellement qui a été fait par un responsable au niveau de la collectivité de façon peu orthodoxe, puisque ça ne répond pas à ce qui a été euh, arrêté. Euh, ça peut être donc aussi euh, une borne qui a été implantée par un propriétaire terrien sans tenir compte d'un lotissement qui aurait pu permettre d'avoir des bornes installées donc conformément au plan d'installation de ces bornes-là. Donc généralement c'est un topographe qui les installe. Et là, comme je vous dis, si c'est illégal, ça veut dire que ça n'obéit à aucune disposition qui a été validée. Parlez-nous de l'ampleur de ce phénomène. Bon, visiblement, au niveau de la ville de Niamey, on rencontre un peu dans les réserves foncières qui devraient être affectées à des équipements, euh, ce genre donc de situation. Et là, ça a dû se faire par euh, la faute donc des responsables locaux ou de quelques personnes euh, véreuses qui voudraient se faire de l'argent, même s'il faut passer par des actes illégaux. Comment expliquer que les occupants arrivent à avoir des actes de cession, des titres fonciers des numéros de cadastre Là, c'est certainement dû à des dysfonctionnements au niveau de l'administration. Il y a eu euh, du faux et sur la base du faux, de façon volontaire ou involontaire, on est arrivé à établir des actes de cession ou de titres de foncier. Ça peut arriver. Et visiblement, là aussi, c'est des situations qui existent réellement au niveau du pays et au niveau de la ville de Niamey. Mais je pense qu'il faut prendre les mesures pour non seulement faire en sorte que euh, ces situations soient euh, régularisées ou carrément annulées lorsque c'est tout à fait euh, illégal, et faire en sorte qu'à l'avenir que ces situations ne se présentent plus. Comment il suffit d'appliquer euh, les textes. Hein. Les textes sont là. Je pense qu'il faut éviter euh, d'être laxiste et il faut aussi beaucoup de rigueur parce que là, visiblement, ça a manqué euh, dans toutes les procédures et les opérations qu'on a pu entreprendre dans les établissements de Est-ce que les lois à elles seules suffisent pour lutter contre ce phénomène euh, Les lois, elles sont là, elles permettent de baliser le terrain et de prévoir des dispositions que les usagers doivent respecter, mais aussi que les pouvoirs publics doivent faire respecter. Et je pense que déjà le mérite qu'elles existent, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est euh, à l'autorité de les appliquer et aux, aux usagers de se comporter en bons citoyens. C'était la Abakari Zarami, urbaniste euh, relativement aux bornes installé dans la plus grande anarchie dans la ville de Niamey et ses alentours. Du sport à présent avec la deuxième édition du championnat national de Maracana qui a eu lieu samedi passé. Les compétitions ont duré toute la journée à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Cette édition a enregistré la participation de cinq équipes régionales et trois clubs de Niamey. Ousmane Sissé, secrétaire général à la communication de la Confédération nigérienne de Maracana et discipline associée, fait tout d'abord la description de cette discipline En fait, le maracana, c'est un sport euh, qui se pratique à partir de 35 ans euh, pour les plus jeunes et 45 ans euh, pour les vétérans. C'est un sport qui se pratique sur un terrain de réduit de, de handball et qui se joue à 6 par équipe. La durée du temps de, euh, varie de 15 minutes à 10 minutes selon les périodes et puis selon le, le nombre d'équipes. C'est un sport que nous avons commencé donc euh, au Niger depuis plus de 25 ans et que petit à petit nous avons vulgarisé à l'intérieur du pays. C'est vrai que euh, dans un premier temps, euh, les gens pensent que c'est un sport d'élite, euh, enfin pas d'élite, de, bourgeois. Parce qu'à partir de 35 ans, on estime que le sport d'élite, en tout cas, il atteint ses limites. Donc il faut une nouvelle reconversion. Et c'est dans cet esprit que est né le Maracana afin de permettre aux jeunes de plus de 35 ans et à ceux de plus de 45 ans de vouloir continuer à avoir une vie sportive normale euh, dans la pratique du sport. La durée du, temps réglementaire, vous dites 10 minutes, 15 minutes, et encore la dimension du terrain qui a été réduite. Donc je disais que le, terrain, c'est un terrain de handball régulier, classique, sans gardien de but. Parce que c'est ça la, la spécialité. Donc, et nous avons 6 joueurs par équipe. Pour que le but soit valide, il faut qu'il soit inscrit dans le dernier demi-cercle fermé du but. Le penalty, quand il y a une faute, euh, une touche, le penalty s'exécute à partir du point central, directement euh, dans les buts. Mais il faut retenir surtout que le, temps de jeu varie, comme je l'ai dit, de 10 à 15 minutes selon le nombre d'équipes que nous avons. Mais à l'international, c'est 12 minutes chrono par mi-temps. Disons, c'est sans pause, c'est automatique. On n'a pas le temps d'aller et puis de revenir. C'est sur le terrain qu'en même temps on fait le changement. Ça se joue du pied, comme le football, mais à la seule différence que nous, on évolue sur un terrain réduit. Et comment se fait l'arbitrage Nous avons, euh, l'arbitrage se fait avec trois arbitres. Il y a deux arbitres de chaque côté et puis un arbitre euh, central qui lui n'est pas au centre, contrairement au football, mais il est à l'écart et donc c'est lui qui, si vous voulez, euh, surveille les avertissements qu'on donne aux gens, les fautes et le temps de jeu. Alors aujourd'hui, combien d'équipes contre le Niger ah, J'avoue que ça va être difficile de, de vous dire le nombre d'équipes contre le Niger, mais je sais qu'à Niamey, nous avons banalement près de 12 équipes de Maracana. À l'intérieur, nous avons des équipes régionales. Vous savez, notre fédération est jeune. Donc, nous n'avons pas eu le temps, euh, si vous voulez, de mettre en, place les structures. les ligues ont été mises en place. Mais au niveau des ligues, les ligues n'ont pas eu le temps d'aller dans les départements pour asseoir la discipline. Ce qui fait que assez souvent, les ligues se sont contentées des gros centres, des capitales régionales. Au niveau de, de, de la fédération des jeunes de Maracana, seul Maradi et DIFA n'ont pas encore leur ligue. Sinon, toutes les ligues régionales ont été installées et ont été actives pendant cette deuxième journée du championnat national de Maracana. Elles sont venues à Niamey, comme l'année passée et comme cette année aussi, et euh, nous avons disputé des matchs toute la journée. Euh, quelle édition euh, l'édition de cette oh, Cette année, c'est la deuxième édition euh, parce que la fédération est née il y a un an. Donc, dès que nous avons fait une première journée de championnat et cette année, c'est la deuxième année. Il faut dire aussi que c'est un prélude à la Coupe d'Afrique du Maracana qui aura lieu cette année à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons organisé cette coupe il y a deux ans et, et ça s'est très bien passé. L'année passée, c'était le Bénin et donc cette année, donc ça va être le tour Burkina Faso euh, pour boucler. Parce que nous avons commencé d'abord à organiser cette coupe au niveau des pays membres du Conseil de l'Entente, parce que c'est les pays membres du Conseil de l'Entente qui sont fondateurs de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées. Et le Niger, à ce niveau-là, occupe le poste de vice-président de la Fédération internationale. Alors, euh, sur le plan international, est-ce que l'équipe nationale euh, s'est déplacée pour jouer au niveau international L'équipe nationale s'est déplacée chaque fois que euh, le calendrier a été programmé pour les compétitions internationales d'abord et pour la Coupe d'Afrique du Maracan et disciplines associées. L'équipe nationale a fait des déplacements au Bénin, des déplacements ah, pour des matchs amicaux au Burkina, des déplacements pour les matchs amicaux en Côte d'Ivoire, et pour ne citer que cela. Mais à l'interne, nous avons organisé beaucoup de compétitions de mise en jambe pour que les gens se préparent et soient dans de bonnes conditions techniques pour affronter les compétitions de septembre 2016 au Burkina Faso. Pouvez-vous nous dire quelle est la performance de notre équipe nationale Bon, notre équipe nationale, bon, on, se débat comme on peut. La dernière fois, nous avons été troisième, mais on estime que cette année, avec les jeunes que nous avons sur la Coupe d'Afrique, euh, mais on estime que cette année, euh, vraiment, avec ce que nous avons vu comme compétences et, comme endurance et, comme discipline, nous pensons que euh, il est fort probable que nous soyons en tout cas les premiers. Et on va ramener parce que il y a deux coupes. La coupe des seniors pour les joueurs, les jeunes de 35 à 44 ans et la coupe des vétérans pour les joueurs de 44 à plus. Et nous pensons que vraiment à ce niveau-là, on va faire des, des, miracles. Bon, revenons sur le championnat national de cette année qui a été lancé officiellement. Et alors, euh, vous pouvez nous dire combien d'équipes ont été sont engagées et puis c'est sur combien de temps euh, Comme je le disais tantôt, il y a eu d'abord des éliminatoires au niveau euh, régional. Et nous avons reçu à Niamey donc les équipes régionales qui sont arrivées. Et sur les huit régions qui comptent notre pays, il n'y a que Agadez, qui n'est pas venu cette année, Maradi non plus qui n'est pas venu cette année, et parce qu'il n'y a pas de ligue, et puis Difa. Donc nous avons constaté uniquement cette année l'absence d'Agadez, qui de tout le temps a brillé par, son, euh, par sa présence, mais cette fois-ci pour des raisons indépendantes de nos volontés, parce que c'est généralement c'est des, des fonctionnaires qui animent ces structures-là. Or, quand vous n'avez pas la permission nécessaire qui vous permette de vous déplacer, ça va être difficile, quelle que soit votre volonté. Et donc, assez souvent, c'est à ce genre de situation que euh, on est confronté. Ben, il faut faire avec. Nous avons donc euh, Maradi, pardon, Zender qui est arrivé cette année, euh, Tawa, Dosso, Tilaberi et Pignami. Donc, voilà, les cinq régions sont là. Bon, et nous avons complété euh, au niveau des clubs locaux de la ville de Niamey, comme Bukoti, et, comme Isaberi 1 et puis Isaberi 2 pour compléter les 8. Et comme ça, on va faire, on a fait deux poules de 4. Et la compétition s'est déroulée tout le long de la journée. Et à l'issue de cette compétition, euh, euh senior, donc les jeunes de 35 à 44 ans, euh, sont sortis donc vainqueurs de ce tournoi, suivi de l'équipe de Bukoti, voilà, qui a eu le, poste, le poste, de deuxième. Et le meilleur buteur, c'est un joueur de Bukoti, euh, Adam Insa, pour le citer, et c'est lui qui a été le meilleur buteur de la compétition. Donc je pense que tout le long de l'année, cest de, on va on va faire des rencontres sous-régionales parce que je vous annonce que déjà euh, en août prochain, nous allons délocaliser une journée à Tawa. Ça va être entre le 25 et le, 27 août, euh, mais les dates ne sont pas encore définies euh, de, manière formelle. Donc on va délocaliser à, à, Tawa et ainsi de suite pour que les gens au moins puissent vraiment prendre à bras le corps cette discipline et permettre vraiment aux anciens de s'exprimer et puis de faire la pratique du sport. Non seulement c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, et puis bon, c'est un cadre d'épanouissement. Alors, euh, euh, le gouverneur, en lançant officiellement euh, le championnat national, a promis de, créer une équipe gouvernementale. Que pensez-vous de ça Non, nous, on ne peut que applaudir parce que c'est une très bonne initiative qu'il a eue. si tant est qu'il pourra susciter l'intérêt du chef de gouvernement pour former une bonne équipe de Maracana, c'est tant mieux. Parce que euh, le sport, maintenant, il doit rimer avec le travail. Mm. Et je pense que euh, un corps sain, dans un esprit sain, c'est d'abord la pratique du sport. Si le gouvernement peut arriver à mettre en place une équipe, on va se retrouver ensemble, comme je vous dis, c'est de, de, 35 ans à plus, donc de, de, 44 ans à plus. Donc je sais que tous les membres du gouvernement, euh, ils ont plus de 44 ans, ça je n'en sais rien, mais je sais qu'on fera en tout cas le maximum pour que, bon, euh, quand ils viennent, ils prennent goût au sport et ça va être, euh, si vous voulez, une sorte de, de, tremplin pour eux, pour reprendre avec euh, le sport, parce que c'est toujours difficile d'être toujours assis dans les bureaux, à ne rien faire, à tourner les pouces, vous descendez, vous rentrez dans les véhicules, vraiment, avec la pratique du sport, on pense que ça va peut-être stimuler un peu leur envie à continuer de, de, de faire le sport toujours. Et bon, c'est dans leur intérêt. Quoi. revenons encore sur euh, le financement même du, du de la, des compétitions. Est-ce que c'est le gouvernement qui prend en charge euh, ou bien il y a des bonnes volontés bon, Ensuite aussi, vous pouvez nous parler du public. quels sont les gens qui, viennent assister à ces matchs-là donc pour la prise en charge, euh, conformément à toutes les fédérations, c'est le ministère normalement qui doit prendre en charge. Mais compte tenu des difficultés du moment, et il faut que tout ce que nous avons organisé jusqu'à présent, c'est sur fond propre. Sur fond propre et nous avons fait appel aux, sponsors en cas de besoin. Et jusque-là, vraiment, ça s'est très bien passé. Tous les déplacements que nous avons eus pour l'équipe nationale, toutes les participations aux Coupes d'Afrique que nous avons eues, c'est vraiment sur fond propre. Mais eh, quand nous avons organisé en 2014 la Coupe d'Afrique euh, ici au Niger, à Niamey, nous avons vraiment eu euh, le soutien euh, du gouvernement et du ministre de la euh, Jeunesse et des Sports. Et en cela, vraiment, il faut les féliciter parce que euh, j'avoue qu'ils ont été très actifs pour nous et ça nous a permis d'organiser cette compétition dans de très bonnes conditions, à la satisfaction de tous les pays participants. Les fonds propres, c'est la cotisation des membres la cotisation des membres du bureau exécutif des différents sponsors que nous sollicitons de temps en temps. Mais essentiellement, essentiellement, c'est sur fonds propre, c'est la cotisation des membres. Tout le public intéressé, tout le public intéressé, quel que soit l'âge, nous, on ne fait pas de distinction, euh, le public. Tous ceux qui sont amateurs euh, du foot, du sport en général, et de toutes les disciplines, ils peuvent s'intéresser à ça. Et le public que nous avons, généralement, c'est le public, euh, c'est des curieux qui veulent venir voir ces vieux-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme jeu. <laughs> Et, et, ils sont surpris souvent quand ils voient que ces anciens, ils ont quand même quelques touches encore dans les pieds. Donc, c'est un appel que je veux profiter encore pour lancer à tous les amateurs de sport de venir se joindre à nous. C'est un sport, de, un sport de, de masse, comme on dit. à Jusqu'à 60 ans, 71 ans, pour peut le pratiquer. Notre doyen d'âge, il a 70 ans. Et pourtant, il joue. C'est vrai qu'il n'a pas les mêmes euh, temps. Il joue. Mais enfin, il est sur le terrain et ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir aux, gens de voir. Donc je pense qu'en cela, il faut susciter les gens euh, par votre radio, interpeller les uns et les autres à venir toujours faire la pratique du sport. Euh, je pense que euh, ce n'est pas mauvais. Hum, c'est bon pour la santé et ça évite des problèmes du cœur. C'était là Ousmane Sissé, secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée relativement à la deuxième édition du championnat national du Maracana qui a eu lieu samedi passé à Niamey. À présent, nous avons en ligne notre invité Sekouberi Ibrahim de la Voix du Sahel. Sekouberi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, nous allons revenir sur quelques sujets de l'actualité sportive du moment. Alors, Sekouberi Ibrahim, nous sommes à quelques jours du début des Jeux olympiques de Rio. Est-ce que les Nigériens sont en capacité de faire quelque chose ou bien, de bien à cette occasion? forcément, vous savez, jamais un jeune a attiré autant d'attention, autant d'intérêt, autant d'engouement, surtout que euh, pour la présente édition des 11e Olympiques, le leader va présenter quand même une équipe euh, de six athlètes, mais la particularité, c'est que ne pas que les athlètes nigériens se qualifient, parce qu'il faut tout de suite euh, signaler que pour être attendu à ce rendez-vous, à cette messe euh, mondiale, il faut d'abord se qualifier. Sekou, la qualité de la ligne n'est pas bonne. On va, vous, on va essayer de vous rappeler, Sekou les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Nous retrouvons notre invité, euh, Sekouberi Ibrahim. Euh nous retrouvons notre invité en ligne, Sekouberi Ibrahim. Bonsoir. je disais tantôt, est-ce que nous sommes à, je disais tantôt que nous sommes à quelques jours du début des Jeux euh, olympiques de Rio. Est-ce que les Nigériens sont en capacité de faire quelque chose de bien à cette occasion? Oui, alors merci pour l'occasion que vous m'offrez. Je le disais tantôt, euh, jamais Jeux olympiques n'a attirer autant d'attention, autant d'engouement, autant d'intérêt. En tout cas, que ces Jeux, ces 11e Olympiades qui vont donc se tenir à Rio à partir du 5 août et pour finir le 21 exactement. Alors, du côté justement de la délégation nigérienne, il faut le dire, c'est sûr que euh, quand je disais qu'il y a beaucoup d'intérêt, c'est parce qu'on euh, on n'a jamais eu cette chance. En tout cas, c'est justement une chance qui se présente à nous, à ces jeux-là, puisque et nous avons euh, deux qualifiés, à savoir euh, euh, le judoka qui était bien classé, donc qualifié, et ensuite le taekwondo que vous savez, que vous connaissez, Ampaga, qui est en train de faire des prouesses, qui est tellement pressé en tout cas d'aller à ces jeux pour en découpe. Mais je disais que justement c'est là où l'intérêt réside parce qu'aujourd'hui, pour tous les amateurs du sport, pour tous les Nigériens en tout cas, on a quand même l'impression ou on a la certitude quand même d'avoir une médaille. Même si, il faut le dire, il faut être très prudent, c'est des jeux, il suffit d'une petite euh, euh, faute pour qu'en tout cas tout chambouler. Mais je pense que l'espoir y est et avec et surtout, on compte beaucoup avoir une médaille. Et je vous l'ai dit, peut-être, c'est vrai que le journaliste qui parle, mais c'est également le Nigérien, c'est également le passionné, mais euh, on peut avoir une médaille de la bonne couleur en tout cas. Sekouber Ibrahim, euh, le Niger n'a à ce jour qu'un seul champion olympique. Il s'agit euh, du boxeur euh, Issa Daboré, C'était il y a un peu plus de 40 ans. Comment expliquer que ce champion n'ait pas eu à ce jour de successeur Mais quand vous parlez des Jeux olympiques, nous sommes à la 11e édition et les Jeux se font tous les quatre ans. Alors, quand vous me dites que euh, depuis Isaac Kadabore, le Niger n'a pas eu de médaille, vous pensez que euh, dans tous les pays, il y a des médailles Je pense que euh, ce n'est pas facile la médaille olympique. Vous pouvez citer, on peut vous citer les pays. Ce n'est pas pratiquement, vous pensez que c'est tous les pays qui ont eu des médailles Je pense que c'est une prouesse que Isaac Daboré ait eu cette médaille. Maintenant, ce n'est pas aussi si on n'a pas eu d'athlète, parce que pour en tout cas apporter une médaille, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou bien qu'il y a quelque chose, mais c'est des moments qu'il faut vivre, c'est des instants. Et je pense que euh, ce n'est pas 40 ans après, même si on gagne la médaille maintenant, c'est toujours un plus. Mais je pense que c'est peut-être cette année que nous avons un champion véritablement qui peut rivaliser avec les autres. Mais sinon, vous savez, pour préparer un athlète euh, pour gagner une médaille olympique, c'est sur euh, plusieurs années. Ce n'est pas sur une année, ce n'est pas sur deux, ce n'est pas sur trois, ce n'est pas sur quatre c'est un travail qui se fait dans la durée et que maintenant, voilà, euh, avec le talent qui est à Alphaga, on peut, et le travail qu'il est en train d'abattre, il a également cette chance d'aller, d'être dans un centre de formation. Donc, je pense que euh, les ingrédients sont réunis, en tout cas cette année, pour ces Jeux, pour qu'on ait une médaille. Mais ce n'est pas grave, même s'il y a 40 ans, après Isaac Adaboré il pas eu de médaille, ce n'est pas faute de n'avoir pas été. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais je crois que le moment est venu maintenant avec Alphaga de, de, prendre des médailles. Et là aussi, j'ai dit encore prudence, même si, en tout cas, il est dans de bonnes dispositions, il est dans de bonnes conditions de travail, il faut être prudent, il peut ne pas aussi apporter une médaille. Alors, Sekouber Ibrahim, autre thème de l'actualité sportive, la Cannes 2017 euh, euh, des moins de 17 ans euh, qui profile à l'horizon. Le MENA national cadet va se rendre bientôt au Nigeria pour y disputer son premier match des éliminatoires. Quelles sont, quelles sont ses chances vous savez, le tirage n'a pas été clément à notre égard. C'est vrai que vous prenez un gros morceau comme le Nigeria, le Nigeria qui est champion du monde dans la catégorie. Vous savez, quand vous prenez les catégories U17 et U19, généralement, c'est les Nigériens qui rivalisent avec les, les, équipes UP euh, comme l'Argentine, comme la France, comme le Brésil. Voilà, donc maintenant et que on va jouer, c'est vrai qu'il ne faut pas se, se voiler la face. On a pris un gros morceau, le Nigeria. Nous, aujourd'hui, en tant qu'observateurs, en tant que journaliste, c'est sûr que. Euh, on ne va pas tout de suite demander aux MENA de la catégorie d'aller pulvériser ces Nigériens. Le match tout se joue euh, à Niamey. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, il faut peut-être aller chercher un résultat là-bas. Mais je ne dis pas que d'office, on va se qualifier. C'est clair que c'est une grande nation de football, le Nigeria. Mais moi, je pense que si nos joueurs arrivent euh, à, à, quand même à limiter les dégâts, je pense qu'on aura fait un gros pas. Parce que franchement, vous voyez, même en termes de préparation, nous, ici, les joueurs sont au centre technique en train de se préparer. On est en train de chercher une équipe. Pendant ce temps, les Nigériens sont où Ils sont déjà en stage en Europe. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, quoi. Du, point de vue préparation, du point de vue, en tout cas, engouement. Nous, c'est maintenant même que l'équipe est en train de se mettre en place. Vous voyez bien qu'il y a des difficultés. Donc, il ne faut pas trop espérer que le MENA puisse quand même éliminer cette équipe du Nigeria. Si ça arrive, tant mieux, mais si on nous élimine aussi, ce n'est pas parce qu'on euh, on n'a pas essayé ou c'est parce que on a trouvé plus fort que nous. Les Nigériens, en tout cas, ils sont dans le bouton mondial par rapport aux U17 et U19. Parlons à présent de la finale de la Coupe nationale de football. Le grand rendez-vous, c'est le 3 août. à Akokana Darlit euh, sera opposé à l'AS Douane. Euh, vous avez un pronostic, Sekouberi Ibrahim non, je ne fais pas de pronostic, c'est la Coupe nationale. Donc, euh, un match de coupe, vous savez la différence entre un match euh, de coupe et un match de championnat. Un championnat, vous pouvez chercher un nul, alors que la coupe, euh, il vous faut un vainqueur. Donc, c'est, ce n'est pas jeu d'avance, c'est des équipes de première division qui ont, en tout cas, toutes remporté la Coupe nationale. La Focana l'a remporté. l'AS Douane également, je crois. Donc, on ne peut pas aujourd'hui tout de suite dire que c'est telle équipe qui va gagner. C'est l'équipe qui aura les dispositions mentales, physiques et peut-être euh, qui va en tout cas euh, prendre le gain de la partie. Mais d'avance, je vous dis que ce n'est pas gagné. Et qui peut, qui peut oser faire un pronostic sur un match où en tout cas les deux équipes se valent En tout cas, c'est des équipes de première division qui se côtoient, qui se, qui se côtoient au championnat. Donc moi, en tant que journaliste, vous ne pouvez pas me demander cela, je ne peux pas faire de pronostic. Je dis que celui qui aura, en tout cas mis de, les de son côté, qui aura les dispositions mentales, les dispositions tactiques, les dispositions techniques, va gagner ce match. Sekouber Ibrahima, un mot pour terminer avec la candidature de Pelé. Autrement dit, le colonel Jibril Lahima Hamidou a un poste important dans les instances de la FIFA. Quelle est l'importance de ce poste Est-ce qu'il euh, est important pour le Niger d'avoir un, un de ses nationaux à un tel poste de responsabilité Oui, vous avez même entendu le bruit que cela a fait. Euh, donc, euh, si le colonel Pelé se présente, il présente sa candidature à la FIFA, c'est bien des raisons qui, qui, évoquent cela, qui justifient cela. Et je pense que euh, pour un président de fédération, c'est toujours intéressant d'être dans le gotha des décisions. Si, le colonel Pelé peut en tout cas aller au niveau de la FIFA, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que l'aider à aller. Et ça va aussi quand même permettre aux gens de connaître le Niger. Ce n'est pas évident euh, que, tout le monde connaît le Niger, mais si quand même il est au, sein du comité exécutif de la FIFA, je pense que c'est un plus pour notre pays et c'est un plus pour le football. Aujourd'hui, est à la FIFA, c'est très intéressant pour le football nigérien et c'est pourquoi nous, nous encourageons vivement sa candidature et nous demandons à tous les Nigériens de prier pour lui, pour qu'il soit élu. Alors, euh, Sekouber Ibrahim, est-ce que le colonel euh, Jibril Hamidou, euh, le, colonel appelé a, des chances pour, pour être élu Les chances, c'est vous qui les cherchez, vous les, vous les amenez avec vous. S'il si est candidat, c'est que c'est sûr qu'en amont, il va prendre des dispositions pour, pour se donner ses chances d'être élu. Mais l'un de l'autre, le plus important, ce n'est pas qu'il soit élu, ou qu'il ne soit pas élu, qu'il soit, c'est-à-dire que s'il est élu, tant mieux, mais c'est pour le Niger, le Niger gagne. Mais s'il n'est pas élu aussi, ce n'est pas un problème. Donc vous voyez bien que les chances, on ne peut pas aujourd'hui quantifier exactement combien de voix Pelé a au niveau de, de ces élections, on ne sait pas. Bon, et puis c'est la CAF qui vote, ce n'est pas la FIFA. C'est-à-dire que c'est des Africains qui vont, c'est deux candidats, et deux postes qui sont euh, pourvus, qui vont être pourvus euh, à la CAF, à la FIFA plutôt. Donc il y a deux candidats, il n'est pas le seul, mais il y a, on veut deux places. Il y a deux places qui sont réservées à l'Afrique qui vont être pourvues donc en septembre, je crois. Et je pense que euh, certainement que s'il dépose sa candidature, s'il est candidat, certainement qu'en amont, je l'ai dit, il a pris certaines dispositions pour quand même être élu. Sekouberi Ibrahim, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes euh, au terme euh, de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.